voilà alhamdulillah. j'espère que y a des may ah, boubach. j'espère que y a des may boubach. bu hmm? j'espère que son bi mi ngi aussi hmm? voilà ce que fait, fait, que son bi vous ngi bu et puis fait que l'image aussi nous nous ñu démarrer cours rapidement voilà assalamu alaykoum wa rahmatullah Alhamdulillah, rabbil alamin ah, donc aujourd'hui on est à notre première séance apprendre à lire le Coran donc durant le mois de Ramadan. Hein, donc, euh, comme on l'a dit dans le groupe WhatsApp, on va faire ensemble 12 séances. Hein? Et troisième séance, ça sera l'évaluation. Et comme vous le savez aussi, c'est un cours un peu technique, mais très simple, parce que c'est des séances. Ce qu'on avait dit à chacun, de tout faire pour bien réviser les exercices. Donc, rapidement, d'où nous finissons que dit, ñu wara jang jàng karim on va pas revenir sur l'utilité et l'importance de lire d'apprendre à lire le Coran pour un musulman loolu duñ ko duñ len ko rappeler hein. parce que don julit rek dafa doy ci jang alxuraanul karim donc il faut jullit jullit bi dafa wara jang jàng karim dafa wara a lire lire bu set jang ko jang bu sel donc loolu obligatoire obligation là ah donc li ci nek ci ay yiw ak martaba ak i xéewal duñu ni duñ ci ñew duñ ci ñew ah dinañ dinañ ci ñew ak yéen ci groupe bi mais pas ah fi parce que dafa wara gatt par rapport a gaaw maintenant puisque on va dérouler notre cours en français ah donc on va un peu comp faire une petite comparaison entre ces deux langues là donc on va comparer, ah on va l'arabe on va comparer l'arabe Hein? et le français. Voilà. Donc nous allons faire une petite comparaison de ces deux langues-là. Parce que hein, nous, on a déjà la, la langue française. Mais on veut maintenant lire le Coran à partir de l'arabe. utiliser le français comme le font certains qui lisent le Coran avec avec quoi avec les Corans transcrits les Corans transcrits. Nous, on veut maintenant tout faire avec l'arabe. Ce qu'on veut maintenant faire, on veut délaisser la langue française. On veut maintenant délaisser tout Coran transcrit en français. Et maintenant se focaliser à 100% sur les Français écrits en arabe. Parce que, parce que le Coran est écrit en arabe. Donc, pour faire cela, il faut vous faire une petite comparaison de ces deux langues-là. Parce que nous, avons une langue qui ñun nous avons déjà la langue française am avons ñu si ci yéen ba am ci ay diplômes yu kawé ah xam nañ ci lu ne ci langue bi mais bi mo leen xawa te parce que bi mom lañ bindee le ah bi lañ bi lañu bi lañu bindee ah, alcorane karim maintenant une comparaison bu simple puisque on a dit aujourd'hui séance reconnaissance des lettres et apprentissage des 11 premières lettres de l'alphabet arabe on va Essayez de comparer hein, les deux langues. Mais on va commencer par rapport aux lettres. Souvenez-vous, si aussi je vous demande, par exemple, la langue française compte combien de, combien de, combien de lettres Qu'est-ce que vous allez répondre messager répondre langue française ñaata ñaata ñaata lettre la la langue française répondez rapidement Awa Oh, rappelez-nous combien de lettres compte la langue française oh, Ça Sayer est, en ligne ay mugao, répondez rapidement Hein allez-y allez-y donc la langue française compte combien de lettres compte combien de lettres l'alphabet français compte combien de lettres hein ça compte combien de lettres Aïcha, qui va répondre la question Qui va répondre la question Quand moi, ton question. Très bien, Awa. Donc, la langue française compte combien 26 lettres. Merci, Awa. 26 lettres. Ça compte 26 lettres. Merci, Sayar. Ça compte 26 lettres. Voyez bien. Mais est-ce que Sayer et Awa, Ibrahim, est-ce que toutes ces 28 lettres-là, c'est des, des consonnes ou bien des voyelles Comment est répartie, donc les 26 lettres-là Hein Comment on répartent les 26 lettres là oh, oh. Hein Comment on a les 26, lettres là Donc, rapidement, c'est que vous savez, déjà on a, on a 20 lettres qui sont des consonnes et 6 lettres qui sont des, des voyelles. Hein? Voilà, merci. Hein? Donc, ça, les 20, c'est des consonnes et les 6, c'est des voyelles. Donc, voyez bien. Donc, on a 26 lettres. Mais les 20, c'est des consonnes et les 6, c'est des, voyelles. Et revenons pour la langue qui nous intéresse. Parce que nous, on veut, on veut lire le Coran rapidement. Hein? Donc, mais on avait déjà cette langue-là. Maintenant, l'arabe compte combien de lettres L'arabe compte combien de lettres ça compte combien de lettres Rapidement. L'arabe compte combien de lettres Ibrahim Darame, ça compte combien de lettres Allez L'arabe compte combien de lettres On a dit, pour français, on a 26 lettres. Et l'arabe, ça compte combien de lettres Rapidement, combien de lettres en arabe L'alphabet arabe compte très bien. Mgoui Abdoulaye l'alphabet arabe compte 28 lettres. Merci beaucoup Ngouy Saho. Ça compte 28 lettres. Merci. 28 hein? lettres. L'alphabet arabe compte 28 lettres. Hein, Ibrahim Adaramé, ce n'est pas 11 lettres, c'est 28 lettres. Donc regardez la différence. Regardez la différence, ces internautes. Regardez bien la différence. Ici, on a 26 lettres pour français et l'arabe, on a 28 lettres. Donc regardez la différence en termes de nombre d'abord. normalement la langue arabe lettres alphabet on a ici 28 lettres. Et ici, nous avons 26 lettres. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord On doit comprendre que ces 28 lettres-là, donc forcément, il y a des lettres qui sont ici et qui ne sont pas hein, au niveau des 26 lettres. Mais retenez bien aussi, c'est le contraire. Même en français, nous avons des lettres qui existent en français et qui n'existent pas en arabe. C'est pourquoi, c'est là, le danger de ceux qui lisent le Coran hein, avec la transcription française. Il faut l'éviter. C'est très dangereux. Parce il y a des lettres qui existent en français et qui n'existent pas en arabe. Maintenant, s'il veut transcrire hein, un mot en arabe qui a des, lettres et qui n'existe pas en, français, donc ça pose problème. Voyez bien, on a dit, Nguissaro a dit 28 lettres, n'est-ce pas Maintenant, comme en arabe, comme en, français, pour les consonnes, il y a combien de consonnes Pour les consonnes, il y en a combien Siré, ce n'est pas 29, c'est 28 siré. Allez-vous pour les consonnes, la langue arabe compte combien de consonnes rapidement. La langue arabe compte combien de consonnes Rapidement. Allez-y, rapidement. Rapidement, Oumar La langue arabe compte combien de consonnes Répondez rapidement. Allez-vous Awa. La langue arabe compte combien de consonnes Allez-y. Rapidement. La langue arabe compte combien de consonnes Allez-y. Allez-y. ñaata consonne hein? mom langue arabe vous avez dit en français nous avons 20 consonnes et 6 voyelles maintenant en arabe nous avons combien de consonnes et combien de voyelles sur ces 28 lettres-là, Adja Fatou est là. Allez, vous répondez rapidement. Allez-y, répondez rapidement. Aha. Aha. Nguissaro a dit, je ne sais pas. qui d'autre Qui va répondre Le nombre de consonnes hein, en arabe. En arabe. Ok, donc retenez bien que toutes ces 28 lettres-là, hein, c'est des consonnes. voyez bien, hein? Retenez bien que toutes ces 28 lettres-là, c'est des consonnes. Toutes les 28 lettres, c'est des consonnes. Donc attention, il y a une différence. Parce que dans ces 28 lettres-là, hein, il n'y a pas de voyelle. Toutes ces 28, lettres, c'est des consonnes. Donc, alors que le français a des des voyelles et des consonnes au niveau de ces 26 lettres. Mais c'est le contraire en arabe. Donc en arabe, toutes les 28 lettres, c'est des consonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les voyelles Hein Voilà. Maintenant, pour les voyelles, regardez bien, l'arabe va, va dessiner des voyelles. L'arabe va dessiner des, des voyelles. Si vous voyez bien, l'arabe va dessiner des, des voyelles. Hum, Khadija hum, Donc, les voyelles en arabe, c'est des, des signes, c'est des marques. Hein? C'est des marques. Il y a le trait comme ça, il y a le, un trait comme ça, il y a hein, le signe là, comme, hein, comme une virgule, et il y a un petit ballon ovale comme ça. Vous voyez bien, c'est ça qu'on appelle les, les voyelles. C'est ça qu'on appelle les voyelles en arabe. Alors que en français, les voyelles, c'est des lettres. Voilà, on dit I, hein, U, O, A, etc. Donc ici, ces voyelles, c'est des lettres. Mais regardez, en arabe, c'est le contraire. En arabe, les voyelles, c'est des, c'est des quoi C'est des, c'est des signes. Ay marque là, ay, signe de lettres, ay marque là. C'est des marques. Donc attention, toutes les 28 lettres de l'alphabet arabe, c'est des consonnes. Maintenant, qu'est-ce que l'arabe a fait pour avoir des voyelles L'arabe a dessiné, a créé des marques, des signes. très bien très bien <laughs> très bien donc ça c'est ce qu'on appelle des voyelles hein? et regardez les voyelles il y a une voyelle qu'on appelle la voyelle A la voyelle A il y a aussi la voyelle, la voyelle I. Il y a aussi la voyelle OU. Voyez. Et il y a aussi une voyelle, une voyelle neutre. Voyez bien. Donc, c'est pas la voyelle A, la voyelle I, la voyelle OU. Non, non, non. C'est la voyelle A. C'est pas A, mais A. Hein? C'est I. C'est très courte. C'est pourquoi on appelle ça Hein? Voyelle, on l'appelle ça voyelle brève. On l'appelle ça voyelle brève. C'est très courte. Et regardez le, ballon là, cette voyelle là. Hein? Cette voyelle là est une voyelle neutre. Est une voyelle neutre. C'est une voyelle neutre. Regardez bien la voyelle. Cette voyelle là, elle est neutre. On l'appelle le soukoun. Le soukoun. Voyez bien on l'appelle le soukoun. Hop, cette voyelle, la voyelle A est toujours sur la lettre, la voyelle I est toujours sous la lettre, et la voyelle U est toujours sur la lettre. C'est comme aussi le soukoun. C'est des voyelles qui se placent sur, hein, sur et sous, hein, en dessus et en dessous de la, de la lettre. Et on les appelle des, des voyelles brèves et une voyelle neutre. Maintenant, on verra pour, leur, pour les noms en arabe. Parce que la voyelle A on l'appelle fatha. On l'appelle fatha en arabe. On l'appelle fatha. Retenez bien le nom. La voyelle A, on l'appelle fatha. La voyelle I, on l'appelle kasra. On l'appelle kasra. On l'appelle kasra. La voyelle I, on l'appelle kasra. C'est un trait qui se place toujours sous la, la lettre. Hein? Sous la lettre. Voilà. Awa nous demande de, de montrer l'écrit. Voilà. Merci Awa. Voyez. Hein? Sous la, la lettre. Et la voyelle où La voyelle où On l'appelle Domma. Domma. Domma. Voyez, c'est la voyelle où On l'appelle Domma. Et la voyelle neutre, on l'appelle Soukoun. On l'appelle Soukoun. Soukoun. Soukoun, c'est quand la lettre n'a pas de marque. Rappelez-vous quand on était à, la, primaire, te ne me revele de Voyez, ça c'est le son neutre. C'est cette voyelle-là qui crée le son neutre. Mais à part les autres voyelles, donne un son. A, I, OU. Mais quand c'est le neutre, ça, ça marque qu'il n'y a pas de voyelle. C'est un son très neutre. Donc, vous voyez bien. Hmm? Et même si aussi, vous voyez, quand c'est le français, on écrit comme ça. On commence là, vous voyez, et on va. Donc, gauche à droite. Mais si c'est le, si c'est l'arabe, regardez bien, on commence là, on commence là, et on va. Droite à, à la gauche. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir Il y a une différence qui existe entre ces deux langues ñaari am ay différence voyez bien hein? en termes de de lettres ici c'est 26 et là c'est 28 les consonnes ici les consonnes c'est des lettres mais ici en arabe les consonnes c'est des signes c'est des marques c'est des marques des signes hein? c'est des signes c'est des marques c'est des signes hein? rapidement pour ne pas tirer en longueur donc on va venir à la leçon du jour. Hein, on a dit apprentissage des 11 premières lettres de l'alphabet arabe. Hein, peut-être après, on va revenir sur ça dans le, dans le groupe WhatsApp hein, pour plus de comparaison. C'était juste pour vous, parce que les cours vont se dérouler en, français. C'est pourquoi on a fait une petite comparaison de ces deux langues-là. Voyez, maintenant nous allons, nous allons apprendre aujourd'hui les 11 premières lettres. On a dit 28 lettres. Mais aujourd'hui, on va faire 11 lettres. Hein? C'est mon choix. Hein? Maintenant, on choisir 11. Awa, on va choisir, awa, on va choisir 7. Voilà, je ne 10. Voilà, ne. voilà, 12. Mais aujourd'hui, on va choisir 11 lettres. Qu'on va, les 11 premières lettres. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les reconnaître. Il faut bien les reconnaître. Il faut bien reconnaître les onze premières lettres. Une parfaite reconnaissance. Voyez bien, une parfaite reconnaissance. Avoir la prononciation hein, bien, euh, reconnaître bien, bien identification de la lettre, tout ça, il faut, il faut le faire donc à partir de cette séance-là. Voyez bien. Hein, donc aujourd'hui, on va travailler la reconnaissance la reconnaissance de la, de la lettre. Et après ça, des onze premières lettres. Maintenant, on va écrire la première lettre de l'alphabet arabe. La première lettre de l'alphabet arabe. Regardez bien. Regardez bien comme ça. Regardez bien comme ça. Hop. Voilà. Ça, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Hein? Ça ressemble à quoi Hein Voyez, c'est un bâton. Un bâton très droit. Hein? Comme en, Wolof, on dit alif. Alif. Voyez, parce que pour le moment là, c'est une lettre. Pour le moment, c'est une lettre. On n'a pas de son. Pour avoir le son, il faut ajouter une voyelle. Et pour le moment, nous allons travailler avec la voyelle, la voyelle fatha, la voyelle A. Hein? on va travailler avec la voyelle A, la voyelle Fatha. Vous voyez bien On travaille avec la voyelle A, la voyelle Fatha pour le moment. Hmm? voyez Maintenant, hein? ça c'est le alif. Le alif. Le son n'existe pas en français. Mais quand on fait poser la voyelle Fatha, qui est A, ça donne quoi ici Ça donne le ça donne le, le A. Ouais, le A. Hein? Ça, c'est le, le A en arabe. Ouais, exemple avec A, hein, comme Alhamdou. Comme Alhamdou. Alhamdou, merci Omar. Alhamdou. Comme, hein, comme, comme Alamtara. Alamtara. Alamtara. Voyez. Hein? Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. C'est des exemples. Ça, c'est le, le A la voyelle A. Donc, ça, on a le son A. On a le, le son A. Vous voyez, le son A. La deuxième lettre, la deuxième, rapidement, la deuxième lettre, la deuxième lettre de l'alphabet arabe, regardez comment on dessine. Regardez bien. Regardez bien. Hop, comme ça. Sur la ligne. Sur la ligne. Oui. Sur la ligne voyez le support. Hein? Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y a un point en, bas. Il y a un point en bas. Il y a un point en bas. Voyez Et on l'appelle on l'appelle le le B, le baoun. Le baoun. Hmm? Le baoun. Mais nous, hein, le son énigmatique énigmatique ne nous intéresse pas pour le moment. On veut apprendre directement et entrer dans le Coran. C'est pourquoi on va combiner les sons. Voyez bien Donc le Baoun. Et quand on place la voyelle fatha, pour le moment, on travaille avec la voyelle fatha. Le son va être le... On a le son ba. C'est pas ba. Ah, ah, ah. C'est ba. Attention. J'ai dit les voyelles en français Hein? C'est pas les mêmes sons. On a écrit le A, mais ici c'est très courte. On l'appelle voyelle brève. A. Vous voyez. Ici on a là le, le bas. Hein? Le bas. Hein? Le bas. Vous pouvez même aussi essayer avec les, exemples. Hein? Les exemples. Hein? Les exemples. voyez. Les exemples. Comme, comme, le, comme, comme le mot bakara. Bakara. Bakara. La vache. Bakara. Hein? Il y a même une sourate qui s'appelle le Baqara, la deuxième sourate du Coran. le Baqara, une sourate très riche, la vache. Hein? Une sourate très très riche. Hein? Dans cette sourate-là, on a les versets Ayatul Kursiyu et Amna Rasoul. Hein? Une sourate très très riche, qu'on appelle Bakara. Baqara. Voyez? Donc ça, c'est la lettre, la lettre Ba. Voyez? A, Ba. A, Ba. Voyez? On dessine là Troisième lettre. On dessine la troisième lettre. On dessine la troisième lettre. Regardez, même support. Même support. Rien ne change. À la maison, vous avez, je suppose que vous avez votre cahier, votre règle et votre crayon. Voyez, hop, comme ça. Je dessine le support. Le support ne change pas, c'est un support. Qu'est-ce qui est important Ce qui est supporté, un point en bas. Il faut que sa gëmmal say la lettre ba bul ko confondre un point en bas c'est bas un point en bas c'est bas parce que support bi c'est identique le même support est-ce que ici on a deux points deux points en haut regardez bien deux points en haut hein et ça donne quoi la lettre T la lettre T T la lettre T, le taoun. La lettre T. Si on, si on met le son, la voyelle A, ça donne le, le ta. Le ta. Exemple, Alam tara. Alam tara. kaifa. Alam tara. kaifa. Le ta. Voyez, le ta. Hmm? Le ta. Hein? Donc, A, ba, ta, Il faut bien les identifier. Il faut bien travailler la reconnaissance. C'est très important pour ne pas les confondre dans le Coran. Le ta, c'est toujours deux points en haut. Fermez les yeux. Deux points en haut, c'est ta. Un point en bas, c'est bas. Hein? Maintenant, on passe, on passe à la troisième lettre, à la quatrième lettre. Regardez comment on l'écrit la quatrième lettre même support. Regardez, le même support. Même support, comme ça. Et ici, on n'aura pas un point en bas, sinon ça va être bas. On n'aura pas deux points en haut, sinon ça va être ta. Mais on aura quoi On aura trois points en, haut. Trois points en haut. Mais qu'est-ce qui se passe Attention parce que ce son-là, la lettre-là n'existe pas en... La lettre n'existe pas en français. On ne peut pas transcrire la lettre en français. Lettre B à français. À français. Attention, parce qu'en français, on confond avec la lettre S, alors que ce n'est pas le S. Mais c'est le, c'est le Thaoun, le Thaoun, le TH, le Thaoun. Si on combine avec la voyelle A, ça donne le le ça, le ça, le ça, hein, le ça, les, les dents ne touchent pas. La langue entre les dents. La langue entre les dents. Le ça, ça, hein, ça, c'est pas le, c'est pas ça. Comme, comme ni al khanan wa min min ah, ah. min c'est le ça ça à chaque fois que vous les dents ne doivent pas se toucher ici on l'appelle la lettre ça. le ça. le ça. Ça. donc on revient ici a ba ta Ça. Ouais, a ba ta Ça. on passe à la lettre qui suit la cinquième lettre Là, la cinquième lettre Regardez bien comment on l'écrit. Regardez bien. Hop, la queue sous la ligne. Et après, on, on met la tête. Voyez bien. Il y a une queue sous la ligne. Hein? Il faut rester sur la ligne si vous voulez écrire bien. Restez sur la ligne. Hein? La queue sous la ligne et la tête sur la ligne. Voyez le forme. Hein? Voyez, voyez, voyez le format. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On met, on met un point sous la tête. Donc ça, c'est une queue. La queue n'a pas d'importance. Hein? Si vous coupez la queue d'un mouton, ça va toujours rester, rester un mouton. Si vous coupez la queue d'une vache, ça va toujours rester une, vache. Mais si jamais vous coupez la tête d'un mouton, est-ce que ça va rester un, mouton Non. Qu'est-ce qu'on va faire On a tué le mouton. Donc on ne touche pas la tête, mais on coupe là la queue. On verra ça quand on fera le cours sur les liaisons des lettres. Les queues ne sont pas importantes. Ouais. Et ça, on transcrit en arabe la lettre. Ça, c'est le jim. Ça, c'est le jim. Le jim. Regardez bien. Le jim. Hum? Ouais. On transcrit comme ça le jim. Si on place le son A ça donne le, le ja. Hein? C'est pas le, le ja. C'est pas ja. C'est pas ja, mais c'est ja. Hein? Il y a certains qui, khadija. Ah, ah, ah. Le ja n'existe pas en, en, arabe. Le ja n'existe pas en arabe. C'est le ja. Khadija. Le ja. Hein? Le ja. Hein? Le ja. Comme jahannamu. Comme jahannamu. Attention. Comme jahannamu. Le ja. Hein? Le dia, regardez bien le dia, comment on l'écrit. Et il faut aussi essayer à la maison, essayer de copier les, lettres hein, et de rester sur la ligne pour bien les écrire. C'est très facile. Voyez comment on les dessine. On passe à la lettre qui suit encore. Hein? hein? La, sixième lettre. Sixième lettre. Donc aujourd'hui, on va seulement apprendre 11 lettres et vous laissez maintenant bien les réviser avant de revenir pour la deuxième séance. Sois bien. Hein? Maintenant, maintenant, on écrit la lettre, la lettre qui suit. Regardez bien comment on l'écrit encore. Hop, la queue sous la ligne. La queue va quitter la ligne parce que la queue n'est pas importante. Et maintenant, on place le, la tête comme ça. Hmm? Mais qu'est-ce qui différencie cette lettre-là C'est comme le alif. C'est une, une lettre qui ne porte pas de point. C'est une lettre qui ne porte pas de point. Voyez, les deux lettres sont identiques. Ce qui confond dans le Coran, c'est ça le problème. ñoom du ñoom du ñu bàyyi xel xàmmee xaraf yi bu baax moo tax bu alxuraan bi koy jàng dañuy confondre lu parce que gis bii rek alors que beaucoup bii dafa am Et ça c'est une lettre qui a un point sur la on l'appelle le ja comme Gani ni Khadija mais naki on n'a pas de y a pas de y a pas de quoi y a pas de point. Hmm? Et pour transcrire ça, on a le, le, le, le haoun, le haoun, le haoun. Hein? Comme dans le Coran, on a des mim, Hein? Parce que s'il n'y a pas de son, c'est le haoun. Mais si on met le son, puisqu'on travaille avec la voyelle A, on met le son A, ça donne le, le ha, ha. Voyez bien, écoutez bien le son. Le ha, Hein? Peut-être dans, peut dans, dans, le groupe WhatsApp, on va revenir avec des vidéos beaucoup plus, hein, beaucoup plus hein, réelles. Où vous allez voir des images, etc. Mais ça, c'est le ha. C'est pas le, le, le, le, le a. Il y a certains qui disent al ah, ah, ah. alhamdou », al hamdu Uh al al C'est pas le, c'est pas le, c'est pas le, le a, mais c'est le ha. C'est comme si on vous a étranglé et vous voulez respirer. Voyez bien, c'est pas le A. Hein? Vous voulez yomb, bané, bané, Non, non, ça se fait pas. On passe à la lettre numéro, numéro quoi? Vous suivez, n'est-ce pas? Hein? Numéro 7. Numéro 7. Lettre numéro 7. Regardez bien comment on l'écrit. Le même format. Ça ne change pas. La queue. La queue sous la ligne et la tête. Et la tête. La queue, sous la ligne et la tête. Ouais, donc attention à ces trois lettres-là, les amis. Attention à ces trois lettres-là. Parce que les trois lettres se ressemblent. Mais il y a une différence. Ici, le point est sous la tête. C'est le ja. Isa, dja, Ici, le point, il n'y a pas de point. C'est le ha. Hein? C'est le ha. Alhamdou. Et là, le point, c'est, c'est un point sur la, sur la tête. Le point est sur la tête. Donc, voyez bien. Et on transcrit comment On transcrit avec le KH pour avoir le son en, français. Regardez bien. Oui. Regardez bien. Ouais. Le, le khaoun. Le khaoun. Kha. Kha. Regardez bien le son. Kha comme kuy wax Khalis. comme kuy wax Khalis. khalis ah comme wala kuy wax khar khar ah, ah Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. hein ah, Cheikh Ahmadou hein Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. donc le Kha. hein? Hmm? le le kha maintenant on met le son on met le son la voyelle A pour avoir le son kha hein bu ken wax bu ken wax xa wala nga wax a ah, tayal dedet il faut aller au fin fond de la gorge hein, comme nga bëgg a kha hein, kha kha kha hein voyez donc il faut faire des efforts on sait qu'on appelle ce qu'on appelle la bonne prononciation des lettres on appelle ça la bonne prononciation des lettres. Voyez, il ne faut pas être paresseux. Parce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au bien de Muhammad sallallahu alayhi alayhi wa rattilil Quran tartila. Il faut bien lire et bien prononcer les lettres. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, des musulmans, nous devons faire ces, nous devons faire, nous devons faire, nous devons faire ces, ces efforts, nous aussi. Voyez une petite révision encore. Allez-y ensemble. A, ba, ta, sa. Les dents ne se touche pas. Attention. Vous Vous vous la Hein? C'est le, le, le sa. Ici, c'est le, le ja. Hein? Là, nous avons le, là, nous avons le, le ha. Et là, nous avons le, le ha. Hein? Nous avons ici le, le ha. On continue avec la lettre qui suit. Numéro quoi Numéro 8. Hein? La lettre numéro, numéro 8. On écrit la lettre numéro 8. Hein? Regardez bien comment on l'écrit. Regardez bien comment on l'écrit. Hop, comme ça. Regardez bien. Voyez bien. C'est comme le S en français. C'est comme le S en français qu'on va. C'est comme le S qu'on renverse. C'est comme le S qu'on renverse. Hein? Et qu'est-ce qui se passe C'est une lettre qui n'a pas de, point. Une lettre qui n'a pas de point. Ouais. Et sa lettre D, le D. La lettre D. Hein? La lettre D. La lettre D. La lettre D. Si on met la voyelle fatha, on a, la, on a le, le da. <coughs> Hein? Le da. Hein? Le da, c'est pas le, le, le, daline. Hein, Ça, c'est pas le daline. Ça, là-bas, c'est doline. Ici, c'est, c'est da. Hein? C'est da. Hein? C'est da. Da. Vous voyez bien le da. C'est facile. Da. Le da n'a pas de point. C'est comme le, le a et le, et le ha. Parce qu'il y a des points, il y a des lettres qui portent des points et des lettres qui ne portent pas de, de points. Voyez bien. On passe la lettre qui suit même appareil, même appareil que le DA. Regardez bien comment on dessine ça. Hop, comme ça, le S renversé. Maintenant, plus un point sur la lettre. Voyez bien. Et attention, c'est pas le, le Z. Parce que cette lettre-là aussi n'existe pas en, en français. Donc, retenez ça bien. Ça n'existe pas en français. Donc ici, on transcrit avec le Z, H. Le zalun. Le zal, za, za. Hein, comme en anglais, the. Hein, the, the man, the man, the. C'est pas le Z. Les, dents, les dents ne se touchent pas. Hein, les dents ne se touchent pas. Les dents ne se, ne se touchent pas. Voyez bien. ici, nous avons le, le za. Le za. Comme Gani, Iza Jaa. Iza, c'est pas Isa Jaa. Ah, ah, ah. c'est pas Isa Jaa. Isa Jaa, moi, là. Hein? Iza, le Z. Iza, Iza, Iza Jaa. Hein? Iza Jaa. Hein? Il y a certains qui aiment la facilité. Issa, il ardo. Ça, c'est pas le Coran. Il faut bien lire les lettres et bien les prononcer et bien les reconnaître, ne pas se perdre dans le Coran. Ni le ni mel, ni d'une hmm? seulement la différence est que le français ces lettres ne se métamorphosent pas en français les lettres ne se métamorphosent pas alors qu'en arabe il y a des lettres qui se métamorphosent c'est-à-dire des lettres qui vont changer de de forme donc il faut être très très vigilant donc le za le za c'est quel numéro hmm? c'est quel numéro 9 donc 9 lettres donc il nous reste combien de lettres il reste deux, lettres. Hein? Donc le, le da et le za se ressemblent. Il ne faut pas les confondre. Le da ne porte pas de point. Le za porte un point sur la, hein, sur la tête. Ou bien sur, sur la tête. Voyez bien. Hein? C'est des lettres qui se ressemblent mais différenciées par le point. Il faut bien, il faut, être très vigilant. Hein? Da, za, Maintenant, on passe à la lettre qui suit. Regardez bien comment elle écrite. Regardez bien. C'est une lettre qui va quitter le, hein, la ligne comme une banane. Comme une banane. Hein? c'est quoi C'est la lettre hein? Le, le ra. Le ra. le ra. Le ra. Et on met le son, c'est le R. La lettre R. Et quand on place la voyelle, ça donne quoi Ça donne le le ra. Le ra. Hein? C'est pas le ra comme les Saint-Louisiens. Ra. Hein? Ra. Bonjour. Bonjour. Hein, hein, hein. C'est pas le <laughs> c'est pas le ra. Bismillahi. Bismillahi Rahmani Rahim. Ça, c'est les Saint-Louisiens qui font comme ça. Je taquine un peu mes amis Saint-Louisiens là. Hein? C'est pas le, le ra, mais c'est le rat. Le ra. Rahman rahim hein rahim hein rahim c'est le rat. Hein? le le hmm? le le après la lettre qui suit c'est le numéro numéro hein? numéro on va on va compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et il reste maintenant la dernière lettre, la dernière lettre. Et c'est la lettre hein, Z, Z, Z, avec même format, voyez bien. C'est comme le rat, parce que c'est une banane, voyez bien, c'est un peu courbé. Mais ici, qu'est-ce qui se passe Elle porte un point, elle porte un point. Alors que le rat ne porte pas de, de point. Et là, on a dit c'est la lettre Z. C'est la lettre Z, regardez bien Z le Z comme ça. Z. On met le son pour avoir le son. On met le fatha, ça donne quoi le le le za, le za comme quand on dit Zidane, hein? Iza zulzilatil ardu. Z, Iza zulzilatil ardu. Hmm? Donc c'est la c'est la fin des des onze premières lettres. On a dit on doit étudier les, on doit étudier 28 lettres. 28 lettres. Hein? Aujourd'hui, on a vu les 11 premières lettres pour ne pas vous saturer, vous donnez le temps de bien les, les reconnaître, les identifier. Vous avez jusqu'à samedi pour bien les reconnaître. Faites des exercices, reprenez lettre par lettre. Créez des exemples. Vous avez la lettre bas, par exemple, dessinez quelque chose qui commence par bas comme un bateau. Vous dessinez et vous placez la lettre en, en, haut pour retenir cette lettre-là. Voyez bien, il faut faire tout pour les retenir. Hein, parce qu'on fera une évaluation virtuelle. Hein, ceux qui vont avoir zéro, ils vont, ils vont voir avec moi parce que je vais me déplacer partout où vous êtes pour vous, pour vous trouver hein, et vous sanctionner. Donc, on va, on va faire une petite révision de son, lecture de, de son. Voilà. Aïe, allez-y, vous répétez avec moi. Répétez avec moi en même temps que moi. Ayo. A. A. Ba. Hein? Ta. Ta. Hein? Ta avec deux points en haut. Vous Voyez bien. Cette lettre-là n'existe pas en français. Ça. Ça. Ja. Ja. Ha. Ha. ha. da, da, hein, da, za, ra, za. Encore, a, ba, ta, sa. Les dents ne se touchent pas. Les dents ne se touchent pas. Ça, et vous laissez la langue entre les dents. La langue entre les dents pour empêcher les dents de se toucher. Ça, ça, ja, ja ha ha da za ra za voilà hein. donc c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui donc révisez bien travaillez bien à la reconnaissance des lettres et Inch'Allah, on va revenir au niveau des groupes WhatsApp pour les exercices, Inch'Allah. Donc, c'était votre frère, hein, Serine Baïsi Saho. Hein? Donc, c'était votre frère Serimbay Saho. Donc, on a travaillé aujourd'hui ces lettres-là. Attention à la lettre, à la lettre Regardez, la langue entre les dents. Ça, ça. Et le kha. Kha, kha, ha, Kha Et le za. Za, za ici. Hein? Za, za. Voilà. Hein? Donc, c'était tout pour aujourd'hui.